Honorable Biaï, pour que un pays puisse être attractif, il faut que tu aies de la notoriété. Tout produit, le notoriété spontanée ou assistée, il faut que tu aies de la valeur d'attention. C'est ça les éléments qui se mesurent pour l'attractivité d'un pays. Et ces éléments-là, qu'est-ce qu'ils nous les donne C'est notre culture sénégalaise. Nous n'avons jamais été une puissance économique, une puissance militaire. Mais au regard de l'aura du Sénégal de par le monde, de sa signature de par le monde, je peux dire j'ai le premier produit d'exportation de ce pays, qui est le talent et le génie et la culture du Sénégal. Et c'est pour cela, là, je remercie tous les acteurs. Et j'ai la fierté de faire partir aujourd'hui d'un gouvernement où le chef de l'État, quand on met toute sa passion, quand on parle de la culture. Et cette culture-là va nous amener à parler de l'histoire du Sénégal. Mais ayons le plaisir et la satisfaction de dire, c'est la première fois qu'on dit aux Sénégalais, écrivez vous-même votre histoire. Notre histoire a été toujours écrite par les autres, avec un œil différent. Aujourd'hui, on nous donne la possibilité de dire à les Sénégalais, mettez-vous ensemble, écrivez vous-même. Par d'autres, histoire ne s'arrête pas à la colonisation ou à l'esclavage. Nous avons existé bien avant ça, en tant que société structurée, organisée et vraiment organisée. Je crois que la tolérance sénégalaise doit prévaloir. Moi, en tout cas, j'ai toute la satisfaction, j'ai tout le bonheur de dire que mes compatriotes, qui sont des historiens, je vais être un peu plus tolérant. Quand on n'est pas tolérant, on ne pourra jamais vivre ensemble. Mais quand le Sénégal, l'un des facteurs importants, c'est cette tolérance que nous devons avoir entre nous. Il peut y avoir des insuffisances, certes, mais qui conseille le profil de ces gens, ils ont la légitimité pour écrire. Oui, ils ont la légitimité pour écrire. À fois son travail. Et je crois que le respect des autres, c'est admettre, il y a des choses que moi je ne sais pas faire, je ne suis pas un prétentieux. Mais chacun dans une nation sait faire ce que l'autre ne sait pas faire. C'est ça une nation, c'est ça une république. Et c'est là qu'il y a la cohésion et la paix sociale entre nous. Donc, sur une tolérance, il y a des choses à rectifier. Ils ont du recul. J'ai rencontré ces gens qui sont des merveilleux. Eux-mêmes me disent, oui, il y a des choses à parfaire. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est pas seulement de dire, on a la possibilité, d'être dans l'incantation du verbe, de dire rien n'est bon. Non. Ce qui est bon, on va prendre, ce qui a corrigé ensemble, tous les Sénégalais ensemble. On n'écrit pas l'histoire du Sénégal pour un individu, on écrit pour la nation. Et ce qui nous réunit ici, c'est notre nation, c'est notre pays. Chacun de nous ici, dans ta propre famille, de manière génétique, tu as un griot qui va te chanter différemment que l'autre, le grand-père de l'autre. Mais chacun a un grand-père. Et tous mes grands-pères, chacun en ce qui le concerne, a fait ce qu'il fallait faire dans ce pays-là. C'est ça la générosité du Sénégal, et c'est ça la culture sénégalaise, c'est ça la tolérance sénégalaise. Et ça, cette histoire nous amène à l'identité nous sommes dans un monde, quel monde nous sommes aujourd'hui Le gros problème que nous avons dans ce monde-là, c'est le repli identitaire, c'est la méconnaissance de l'autre. Qu'est-ce qui va permettre à ce qu'on soit ensemble C'est cette culture-là que nous avons toujours bien vendue de par le monde. Et cette histoire, au bout de l'histoire, c'est ce qu'il faut voir. Au-delà de l'histoire, ce n'est pas du tagma mouken. C'est une constitution, c'est une histoire, c'est une Et fall nañ nous ñepp lu d'accord fi moy dañu war am ay référentiel ñepp d'accord lañu dañu war am dañuy référentiel référentiel bobu gox bu nek ci Sénégal fu nek amna ko xamne xam ne suñ su euh, madame Mbacké mu may wax lo xamne je vais apprendre hein, je suis pas prétentieux et je viendrai là-bas

te war nañu roy kay la rek loolu suñ ko défé après mën nañ am une logique politique parce que lepp luy presse bu fi nek amna accord bu am ak état bi amna engagement am ben benn de charge su boobaa dañu ne kooku ku nek feulé naka lañ koy défé dañu xam tam on a un problème de moins en moins les gens lisent c'est la réalité mais on a des acteurs talentueux comme je le disais tantôt on peut reconvertir cet écrit-là, qui sont des volumes, en une pratique théâtrale. On peut relayer ça en une pratique de cinéma. J'ai dit au directeur du cinéma qui est là, moi je mettrais un peu plus d'argent que quand les gens, dans leur scénario, ils parlent de notre histoire. Donc il faut favoriser, il faut encourager cela. Après, on va s'asseoir, déjà dès demain, j'ai une discussion avec les patrons de presse. C'est pour qu'on voie ensemble. On ne va pas se regarder en chaîne de faïence. On est tous des enfants de ce pays-là. Dis-dire, nous avons tous la latitude. Nous avons 15 200 000 aujourd'hui journalistes au Sénégal. Hein. Chacun, tu fais ta petite photo, tu rentres dans le truc, tu joues le rôle de journaliste. Chacun. Mais je crois que la morale et l'éthique et le désir de vouloir vivre ensemble, de vouloir booster notre pays, va nous amener à des compromis. C'est ça qu'il faut faire. Et ces compromis-là, on peut y arriver. Parce que je pense que quiconque, que ce soit de l'autre côté, de l'opposition, quiconque a un seul intérêt commun, c'est que le pays aille de l'avant.